le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bienvenue à tous dans le Forum de la presse de ce vendredi 20 avril 2018. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite en ligne ainsi que de l'audiovisuel pour décortiquer l'actualité de la semaine. Les points saillants du Forum de la presse de ce soir se résument essentiellement à la crise persistante et grandissante à l'Université Abdomoumouni de Niamey. Mercredi 18 avril dernier, le temps est monté avec euh, les violents affrontements qui ont opposé gendarmes et étudiants soldés par des blessures et autres dégâts. Les interpellations de trois acteurs de la société civile le dimanche passé à l'occasion de leur neuvième journée d'action citoyenne interdite par les autorités de la ville de Niamey. Autre fait marquant, c'est cette série de démissions des membres du parti MPN Kishinkasa de leur fonction conformément à la décision de l'instance dirigeante du parti de se retirer de la majorité au pouvoir. Et à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont voté une loi qui donne plus de pouvoir au président du Conseil supérieur de la communication, CSC. Nous verrons ensemble l'importance des changements qu'apporte cette loi. Enfin, nous parlerons de la hausse constatée du prix de l'électricité sur la dernière facture distribuée par la Nigérienne d'électricité aux abonnés. Pour, analyser tous ces points, nous avons invité Elhaj Mohamed Suleiman que nous attendons d'un moment à l'autre. Sidik Ali, journaliste analyste politique. Bonsoir Sidik. Bonsoir. Et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mohamedou. Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir. Je le disais en introduction, montée de la violence à Niamey mercredi dernier avec des affrontements entre gendarmes et étudiants aux alentours du rectorat et de l'université. L'on déplore une dizaine de blessés aux côtés côté étudiant et 6 côté gendarme. Pour le bilan matériel, le ministère de l'Enseignement supérieur fait état d'importants dégâts matériels, parmi lesquels six véhicules vandalisés. Le dit ministère a décidé d'ailleurs de la fermeture du campus universitaire le même jour, mettant du coup de nombreux étudiants dans la rue, comme ce fut le cas en avril de l'an dernier. Alors, je m'en vais commencer tout de suite avec vous, Sidi Kali. Euh, on sentait que la situation allait dégénérer après l'ultimatum lancé par l'USN, les mots d'ordre des grèves successifs suivis de leur suspension euh, temporaire par les étudiants. Qu'est-ce que les étudiants revendiquent en réalité qui, cette fois-ci, euh, est à la base de ces nouvelles violences Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, euh, chers auditeurs et auditrices de la radio Studio Kalangou. je n'ai pas la prétention de me substituer aux étudiants et pour euh, donner le contenu de leurs revendications, ni de juger le bien fondé ou le euh, mal fondé de leurs revendications. Mais ce qui est sûr, en tant que témoin et surtout euh, victime de cette situation estudiantine et scolaire au Niger, je peux me permettre de donner mon point de vue. là, je crois que mon rôle, c'est de contribuer à ce que vraiment, en tout cas, euh, la situation vraiment se décante pour qu'elle revienne à la normale euh, au grand bénéfice de tout le monde. Vous savez, euh, les événements récents, tout le monde s'y attendait parce que déjà il y a plusieurs facteurs qui concourent vraiment en tout cas à sa causalité, vraiment à sa survenance parce que déjà vous savez qu'il y a une situation vraiment en tout cas qui est pourrie. Il y a toute une série de revendications qui étaient là et qui ont été posées par les étudiants. Et il y a aussi la situation euh, vraiment en tout cas né euh, de contentieux entre les étudiants et les enseignants-chercheurs. Et maintenant, tout cela a coïncidé avec euh, la date anniversaire, vraiment en tout cas, de l'assassinat du jeune frère Bagalé. Mhm. et donc, tout cela a donné comme vraiment en tout cas effet ce que nous avons vu et ce que vous venez de décrire, bien entendu. moi, personnellement, en tant que père de famille, en tant qu'acteur vraiment en tout cas majeur de ce pays, ce que je crois personnellement, et, et ce que j'ai toujours défendu d'ailleurs, on ne peut pas prospérer toujours vraiment dans l'antagonisme et la violence dans une société. Mm. Il va falloir qu'à un moment donné, que les dirigeants, c'est-à-dire les tenants du pouvoir, et les acteurs, par exemple, de l'USN et de l'ONU, tout ça, vraiment tous les scolaires confondus, se mettent autour d'une table pour vraiment, en tout cas, réfléchir de façon sérieuse. Par exemple, les états généraux de l'éducation au Niger. Pourquoi ne pas les faire Et pour euh, décortiquer c'est-à-dire les mots qui minent aujourd'hui le secteur de l'éducation, le secteur scolaire, le secteur résidentiel, mhm. et maintenant faire un bilan, c'est-à-dire un état de lieu complet des problèmes aujourd'hui euh, que connaît ce secteur-là, afin que nous puissions trouver. Parce qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Tout problème a une solution. Il suffit que l'homme s'arrête pour réfléchir. Et ça, Dieu nous a dotés vraiment de cette faculté. Et il, il suffit tout simplement d'en user. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit euh, ce problème vraiment de l'université là. On a imaginez à Niamey on a une seule université, mais on a du mal à faire fonctionner. Il y a des pays aujourd'hui qui ont 1 million d'étudiants, 1 million 500 d'étudiants. Il y a des pays qui ont 500 000 étudiants. Voyez-vous, nous, on n'en a que combien Au moins quand même euh, euh, euh, moins d'une vingtaine. oui, moins de 20 000 étudiants. Et nous avons du mal à faire fonctionner quelque part parce qu'il n'y a pas de vision même pour ceux qui ont vraiment, en tout cas, la charge de gérer ce secteur-là. Souvent, on nomme un ministre, le ministre fait état, fait état vraiment, en tout cas, de ses états d'âme il arrive vraiment à la limite de ses compétences, on le dégage, on met un autre, celui-là manque de vision, ceci, cela, et toujours c'est les mêmes problème. Vous avez remarqué, c'est les même, euh, vraiment cause c'est les mêmes façons de réagir et c'est les mêmes, euh, vraiment, en tout cas, modus operandi. C'est-à-dire, c'est les mêmes, euh, vraiment, mode opératoire du côté des autorités. Les étudiants se soulèvent parce que le problème s'entasse. et quelque part, maintenant, l'État, vraiment, en tout cas, euh, euh, vraiment, en tout cas, provoqué, fait intervenir les gendarmes et les policiers pour réprimer. Et toujours, il y a mort, il y a des dégâts et tout, ainsi de suite. Et Suleiman plutôt, Issa, ce qui est arrivé euh, ce mercredi, c'est le cumul, est-ce que selon vous aussi, c'est le cumul euh, des, revendications, des, frustrations des étudiants ben, Merci Alassane. Il faut d'abord commencer par déplorer. C'est que vient de le dire, la violence n'a jamais rien réglé. Parce que même en situation de conflit, de belligérance ouverte, les gens finissent toujours par se retrouver autour d'une table pour discuter et trouver des solutions. Malheureusement, on a comme l'impression qu'avec euh, le système en place, le régime en place, on ne cherche pas ce genre de solutions, c'est-à-dire discuter pour trouver des mécanismes de sortie de crise. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, vous venez de le rappeler, il y a eu un étudiant qui, qui, lors d'une manifestation, qui, a été fauché. Mhm. Cette année également, hier, heureusement, bon, on dit qu'il n'y a pas de, de, morts, mhm. mais il y a quand même des blessés sérieux. Les images ont circulé. Et tout le problème, moi, j'ai dit, réside au niveau de, de l'État. C'est quoi les étudiants revendiquent Ils revendiquent des bourses. Ils revendiquent des meilleures conditions d'études. C'est tout à fait légitime qu'ils fassent ces actes de revendication. Quand ils s'assoient avec le gouvernement, le gouvernement prend des engagements, mais malheureusement, ils ne les honorent pas. Et naturellement, eux, ils considèrent que c'est une mauvaise foi de l'autre côté. Mais quand vous êtes dans une posture de mauvaise foi, il faut au moins avoir l'honnêteté de reconnaître, d'essayer de trouver, même si c'est étalé sur le temps, pour pouvoir régler les problèmes. Ça, La dernière fois, vous vous rappelez bien, suite à l'altercation entre. Oui, j'allais dire, c'est ce qui est venu se greffer en, plus de voilà. déjà qui était là. qu'est-ce qui s'est passé si vous avez bien suivi C'est que le gouvernement s'est On en a même parlé ici. Mhm. Pour discuter en l'absence des étudiants et pour décider de l'exclusion, je sais même plus de combien, cinq noms, L'exclusion a été faite par le conseil de l'administration. Oui, mais justement, dans, des situations de crise. Ensuite, il y a eu cet accord signé entre le ministère et le SNEX euh, qui, a pris mm. en, compte un certain nombre de revendications de, ces enseignants chercheurs. Justement, mais est-ce c'est que, les étudiants ont d'ailleurs rejeté. Justement, est-ce que c'est la solution Ce n'était pas ça la solution. Mm. Il y a un conflit, il y a trois parties. Les étudiants sont en conflit ouvert, étaient en conflit ouvert avec le SNEX. Le gouvernement appelle le SNEX plus le rectorat. Les autorités rectorales discutent avec eux et trouver une solution facile, parce que moi j'ai dit c'est la solution facile. De l'autre côté, évidemment, ils, vont, se mettre dans une posture où il faut défendre leurs intérêts. Et c'est ça qui a dégénéré la dernière fois. et malheureusement, il y a eu des dégâts, il y a eu des casses. C'est déplorable. oui. Sur cette phrase, cette dernière phrase, pour dire juste un mot. Mm-hmm. Moi, je pense que euh, en toutes circonstances, la sagesse doit prévaloir. La sagesse, d'abord, elle a, elle toujours le monopole du pouvoir en place. Mm-hmm. C'est-à-dire quand vous détenez vraiment en tout cas les moyens de l'État, quand vous détenez l'autorité de l'État, quand vous incarnez ce qu'on appelle la puissance publique, mm-hmm. c'est à vous de faire preuve de sagesse. Parce que ceux-là qui sont en face de vous, ce sont des enfants. Voyez-vous, il se pose même souvent un problème de maturité. Mais ce qui est sûr, il y a une seule philosophie que chacun doit vraiment développer et s'en approprier. Même pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de guerre, il y a des pays qui ont connu que la guerre depuis les indépendances. Mm. Ils ont fini par s'entendre. Il y a des pays qui ont connu des, des rébellions. Même les terroristes et les États s'entendent autour vraiment d'une table. Moi, je pense que les mécanismes de résolution de conflits, ce n'est pas vraiment des 20 mots. C'est une science. Et cette science peut permettre vraiment d'arriver à bout de tous les problèmes, quelle que soit leur nature. Euh, euh, euh, alors, Sidi Kali, de violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants, la même chose, on l'a dit, s'est produite il y a exactement un an, en avril déjà 2017. Comment revenir à la normale en évitant que l'histoire <coughs> se répète aussi, aussi souvent C'est très simple, le dialogue. Le dialogue. Et le dialogue. Parce que les acteurs savent qu'ils ont vraiment en tout cas des divergences. Une fois que euh, le, point de divergence est connu, une fois que les acteurs qui sont rattachés vraiment à cette divergence sont connus dans un pays qui compte vraiment en tout cas toute une vraiment, euh, j'allais dire, euh, vraiment en tout cas des nombres incroyables de sagesse des acteurs vraiment en tout cas qui peuvent intervenir pour régler des problèmes dans un pays comme ça dans un environnement social comme ça on peut facilement se retrouver autour de la table poser le problème analyser le problème dans toutes ses dimensions et trouver la solution. Puisque maintenant, d'ailleurs, il n'y a pas de problème qui n'est pas de solution. Ah, on a vu, c'est dit que cette question a même été traitée au niveau de l'Assemblée parce que le ministre de l'Enseignement supérieur a été même interpellé. Mais ça a été comme ça. Vous savez, le problème a été largement discuté les étudiants, après cela, ont décidé de suspendre leur mode d'ordre de grève. C'est ce qui s'est passé. Mais le problème, on constate quoi C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mots c'est toujours les mêmes remèdes, c'est toujours les mêmes acteurs et c'est toujours les mêmes résultats. On peut pas avoir des résultats différents. Au moins, quand depuis 1990 hein, hmm. jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les mêmes problèmes. On vient, on se retrouve face à une situation, au lieu de s'assumer et de trouver des solutions, mais tout est une question de planification. Aujourd'hui, le problème des étudiants, c'est quoi Ils cherchent des bus. Hmm. L'État n'a pas les moyens, par exemple, aujourd'hui, pour acheter 10 bus. L'État peut faire une planification, euh, planification hmm. qui est même répartie sur 2 ans, 3 ans. Mais c'est très simple. L'État de Niger manque de ressources pour acheter une dizaine de bus. Deuxièmement, si on a besoin, par exemple, d'accroître la capacité d'accueil de l'Université de Niamey, si on planifie sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pensez que l'État ne peut pas euh, parvenir Parce que l'État construit même 20 000 logements, 15 000 logements, 13 000 logements dans le cadre vraiment des approches politiques. C'est-à-dire dans, euh, le cadre, par exemple, du, des logements sociaux dans le cadre du programme de la Renaissance. L'État peut prévoir, c'est tout un programme spécifique destiné à vraiment régler, résorber définitivement le problème de logement au niveau de l'université. Sinon, déjà, déjà au niveau de l'université, beaucoup de, bâtiments sont en cours de réalisation, mais beaucoup ont, dû être suspendus. Le, pendant le problème de gestion de l'université. L'université, aujourd'hui, gérée d'une manière, c'est-à-dire un peu euh, qui ressemble à la gestion d'une entreprise. On ne peut pas aujourd'hui gérer euh, c'est-à-dire que l'université, euh, selon les standards des entreprises ou par exemple d'une société d'État il faut savoir que c'est un secteur très sensible voyez vous Ou à Au moment, ça peut vraiment mettre en cause. C'est dit que nous n'avons pas assez de temps pour nous étendre sur ce sujet. Nous allons juste donner un, dernier mot à, Ousainissa. Ousainissa, la solution pour cette crise à l'université La solution est très simple, c'est le dialogue. Hein. Et chercher, le dialogue, c'est ce Khalil a dit, le dialogue. Le dialogue, vous dialoguez, vous trouvez un terrain d'entente, un protocole d'entente. Faites l'effort même si vous ne pouvez pas le faire immédiatement, régler tous les problèmes, progressivement, chercher à régler les problèmes. Mais le problème qui se pose, le blocage, il y a des protocoles qui interviennent. Une fois que le calme revient, du côté gouvernemental, on, ne cherche pas à, On se dit, on a eu, comment vais-je dire, la paix, les, les coûts ont repris, mais on oublie que les promesses, là, c'est ça qui va. on, a pris des engagements ici. il faut ces Bien, nous, nous passons au, au second, au, second sujet. Et, donc, une autre situation qui se répète, comme en 2005, les contestations de la société civile sur le coup notamment de la vie qui ont conduit à plusieurs arrestations. Les dernières remontent à dimanche dernier avec trois personnes qui viennent s'ajuster à la liste des 22 déjà détenus depuis le 25 mars. Et selon leur avocat, ces trois personnes ont été obligées de marcher pieds nus de la police judiciaire à la sûreté, ce qui du coup bafoue leurs droits. L'avocat parle même d'humiliation de traitements dégradants subis par ses clients, soulignant que le Niger a pourtant ratifié des textes internationaux relatifs à la protection des droits de la personne humaine. Euh, alors, c'est dit que euh, vous avez certainement des échos à ce sujet. Quels commentaires faites-vous des traitements ainsi dénoncés par l'avocat Ahmed moi, je ne peux pas m'approprier des propos de l'avocat. Un avocat, c'est un avocat. Mhm. oui, c'est un homme de droit. Mhm. Lui, il se base sur vraiment en cas des éléments de droit. Et mhm. souvent, vraiment, il a le bien, c'est-à-dire le titre. Il est fondé à parler de certaines choses. Mais moi, personnellement, en tant que citoyen, je peux parler vraiment, en cas, de ce qui s'est passé selon vraiment ma façon de voir euh, les choses. Euh, d'abord, c'est déplorable. Le fait même d'arrêter des acteurs de la société civile dans un état de droit n'est pas une bonne chose. Il faut toujours le déplorer. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels, vraiment, en tout cas, il faut toujours faire très attention. Le secteur de la presse, le secteur de la société civile, ainsi de suite. Euh, aujourd'hui, nous sommes dans une période où euh, la relève, c'est-à-dire de la lutte démocratique, est en train d'être prise par ce qu'on appelle les courants de société civile dans le monde. Ce n'est même pas les partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, euh, où les partis politiques sont en perte de vitesse. Ils ne sont plus à l'ordre du jour maintenant. Avant, c'était des partis politiques dans les années 90, 95, jusqu'en 2000, 2016. Mais aujourd'hui, le monde entier, on a tendance à développer un autre moyen vraiment en tout cas de contrecarrer les pouvoirs en place, qui est la société civile. Et maintenant, le problème de la société civile, c'est quoi vous, êtes d'accord avec moi, mm. euh, même si les acteurs de la société civile ont le droit d'agir, de battre le pavé pour faire des revendications, c'est un secteur qui n'est pas organisé. C'est vraiment c'est un fourre-tout, si tu veux. Hmm. Tout le monde rentre, tout le monde sort comme il veut. Et souvent, ce qui fait vraiment, en tout cas, croire au pouvoir en place, d'ailleurs, euh, euh c'est sont manipulés. Non, qui sont manipulés par des courants politiques qui sont de l'autre côté. Hmm. Et tous, moi personnellement, je suis un acteur politique, je vous parle de ce que je connais. Souvent, il y a des éléments de la société civile qui sont trop collés à la politique. Bien. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Et du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Moi, je pense que si réellement les revendications sont des revendications d'ordre social, qui cadrent avec vraiment, en tout cas, les intérêts de la société euh, dont on est censé défendre, moi, je pense qu'il faut carrément s'écarter du pouvoir en place et de mener une lutte saine. Et là, quelle que soit vraiment la violence, quelle que soit la, détermination du pouvoir en place, on va toujours arriver à une solution euh, adéquate. Euh, Hussein Issa, quelle analyse sur ces arrestations opérées généralement hors du trajet prévu pour la manifestation et l'état du siège, par exemple, euh, le jour de la manif du siège d'alternative pour empêcher même aux travailleurs de la dite structure d'accéder à leur bureau oh, ben, Vous savez, c'est dommage, c'est dommage dans une démocratie. La société civile, c'est un contre-pouvoir. C'est que vient de le dire qui revendique ou du moins qui, qui s'engagent quand les citoyens par rapport à des thématiques, des sujets précis, pour défendre les intérêts des citoyens. On ne peut pas systématiquement empêcher aux acteurs de la société civile la manifestation, une fois que c'est pacifique de rue, on la laisse faire. Dans tous les cas, les gens vont marcher, ils vont faire leur déclarations, ils vont se séparer. Mais le fait d'interdire systématiquement moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose, ça donne une mauvaise image du pays. Il y a des manifestations d'acteurs associatifs dans tous les pays au monde, en France, aux États-Unis, des gens qui ne sont pas d'accord avec les politiques publiques qui sont menées, qui marchent, qui revendiquent avec des panneaux, des pancartes pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors on a vu quand même que depuis un moment, le, pouvoir en place avait autorisé, en tout cas les autorités ont, un moment autorisé ces, marches. Seulement depuis le 25 hmm. mars dernier, euh, ces marches sont interdites à Niamey notamment pour cause de, de sécurité. Mais non, ça c'est l'argument facile. C'est vraiment ça l'argument facile. Dans tous les cas, les acteurs associatifs, ils ont l'habitude de marcher et d'encadrer leurs manifestations sans qu'il y ait problème. Voilà, subitement, vous acceptez un temps, un autre temps, vous dites non, ce n'est pas possible. C'est pas dans le fonctionnement. C'est l'argument facile pour vous. Il y a, d'autres. autre Non, moi, je pense que l'argument est fallacieux. Moi, je pense que chacun doit jouer son rôle. Chacun, chacun, doit, justement. c'est dit qu'il va finir. Qu'on laisse, les acteurs associatifs. Dans, dans, tous les cas, ils sont responsables. Maintenant, en cas de casse, on sait qui sont les responsables. on peut, on peut les interpeller. Mais avant même que la manifestation ne débute, dans la première vague d'arrestation, les gens qui ont été arrêtés, la plupart d'entre eux. Pour le 25 mars, vous voulez dire oui. Oui, il n'y avait même pas de vue de manifestation quand ils ont été euh, interpellés. Oui, c'est Ali, vous voulez, vous voulez ajouter quelque chose euh, Moi, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on doit euh, agir toujours dans le sens, vraiment, en tout cas, d'éviter vraiment de porter atteinte vraiment à un certain nombre, vraiment, en tout cas, de droits. Parce que le droit dit tout simplement que vos droits commencent là où s'arrêtent ceux des autres. Voyez-vous Par exemple, ne faut pas que les marches prennent l'allure vraiment des pièges. On tend un piège à la société civile, la société civile sort, elle marche, et aussitôt on dit non, non, ils ont posé un problème vraiment en cas de vandalisme, on les arrête. Ce n'est pas une bonne chose. Mmh. Voyez-vous L'infiltration de la société civile, c'est-à-dire que ça, c'est un fait aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de. Ce n'est pas une bonne chose parce que le pouvoir a des moyens de contrôler, a des moyens de vérifier pour savoir si vraiment il y a des interférences. Parce que les partis politiques sont à bout de souffle. Je vous ai dit. Mhm. C'est euh, vraiment, en tout cas, c'est un fait mondial. Beaucoup de pays, aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les partis politiques sont arrivés au bout de souffle parce que tout simplement, les partis politiques se sont prostitués. Ils ont montré la limite vraiment de leur sincérité, la limite vraiment de leur pouvoir. Alors, est-ce euh, qu'on euh, tend vers euh, une disparition des partis politiques pas ah, forcément. De la mais il y a un discrédit général. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup, vous avez vu les alliances qui sont tissées au Niger. Mm. Et certains, même d'ailleurs, même les pouvoirs en place, beaucoup de pouvoirs ont utilisé, par exemple, la force de la société civile pour parvenir, au pouvoir. On crée les conditions pour l'instabilité. Et maintenant, de là, maintenant, on fait intervenir, par exemple, les armées pour faire des coups d'État. Et après, par la suite, on veut se débarrasser. Et du coup, maintenant, la société civile est devenue une sorte de monstre. On ne peut pas l'éliminer. Parce qu'on l'a créé, on l'a soutenu et on a composé avec lui. C'est comme le pacte avec le diable. Donc vraiment aujourd'hui, c'est pas facile de, s'en débarrasser. Mm, Donc il faut s'accommoder. Et la meilleure manière de s'accommoder, c'est quoi Il faut encadrer les marches. les Et il faut encadrer. Chacun a sa part de responsabilité. Le droit est très clair. Aujourd'hui, la société civile demande de marcher. On dit bon, écoute, voilà si tu marches, voilà les vraiment des voies à suivre. Mm. Voilà ce que tu dois éviter de le faire. Mm. Voilà ce dont vous êtes autorisé. Et le pouvoir aussi est présent parce que les forces de l'ordre sont là à distance et observent pour voir les débordements. Donc c'est très facile Bien. Nous, cela nous amène d'ailleurs à, ouvrir une brèche sur la politique, euh, sur, les partis politiques, euh, notamment en ce qui concerne le parti MPN Kishinkasa. Depuis l'annonce de la démission du président euh, donc, de ce parti, mm-hmm. Ibrahim Yakuba, du gouvernement, et l'annonce du retrait de son parti de la majorité au pouvoir, d'autres cadres du même parti démissionnent au fur et à mesure de leur fonction dans l'appareil de l'État. Et l'on apprend que les députés du MPN Kishinkasa sont exclus du groupe parlementaire appelé les Patriotes, mais que ceci ferait de la résistance. Euh, est-il normal ou pas d'exclure des députés du groupe euh, auquel ils appartiennent Non, moi je pense que tout cela, c'est les conséquences, vraiment en tout cas, de l'acte posé par Kishin Et si vous posez cette question à Kishin Kassa, je crois que Kishin Kassa est déjà préparé à affronter ce genre de situation. Puisqu'ils sont conscients des répercussions, des conséquences, vraiment, en tout cas, qui vont en découler de leur, vraiment, en tout cas, de leur fait, mm. leur acte. Mm. Mais maintenant, le seul fait que moi je déplore, vous avez parlé des cadres. Mm. Un cadre, c'est quoi de l'administration Un cadre, c'est un citoyen d'abord qui a été formé par l'État avec les ressources publiques. Vous comprenez Et à qui l'État a confié une charge, c'est-à-dire un portefeuille. Il est censé normalement être au service de l'État. C'est ça un cadre. Mais là le cadre là, indépendamment de toute conviction politique, idéologique, culturelle, ethnique, autre là, le cadre est censé être vraiment un acteur au service de l'État. Seulement, on a vu que, oui, Maintenant, il y a ce qu'on appelle le politicien. Oui. Il faut faire la différence. Parce qu'on parle aujourd'hui de la politisation de l'administration. Ah. Mais les postes, par exemple, de l'État, il y a des postes qui sont politiques et il y a des postes qui sont apolitiques. Ah. Même si aujourd'hui, par ailleurs, jusqu'au poste de planton, aujourd'hui, on voit, on voit, que les gens ont tendance à politiser. Bon, ça, c'est la nature humaine, ah. l'exagération. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, hier seulement, euh, j'ai causé avec un cadre de Kaza. Il n'est pas normal que systématiquement tout le monde abandonne comme si c'est un bateau qui est en train de couler et tout le mm. monde doit le fuir. Non! L'État du Niger n'appartient ni à Kishinkasa, ni à la Renaissance, euh, c'est-à-dire enfin au système de Gouri, ni à quelqu'un d'autre. L'État du Niger, c'est l'État du Niger. On a vu quand même le départ du ministre de la ministre de la Communication récemment. Euh, non, ça c'est une ministre, Le gouverneur de, Écoutez, elle est venue par le canal politique et moi, à sa place, j'aurais même pas attendu vraiment tout ce temps pour démissionner. Hein. Moi, à la seconde, je m'en vais. Si je ne suis pas prêt à servir ce pouvoir, à la seconde, quand mon parti part, moi je démissionne. Moi je dis vraiment, si je, dois suivre mon parti. Hein. Mais maintenant, si je vois que les prébendes sont aussi juteuses et que je dois rester, ben écoute, je retourne. Nous allons donner, des députés, euh, ça euh, aussi, vraiment, moi personnellement, je trouve que c'est normal. C'est de bonne guerre. Bien. nous allons donc accueillir. Euh, et là, Suleiman Mamadou qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Donc euh, nous étions donc euh, sur, sur, cette question du MPN Kishinkasa dont les députés euh, sont exclus du groupe parlementaire auquel ils appartiennent. Quel impact pourrait avoir leur départ pour la majorité au commandes Merci bien. Euh, je constate que l'argument avancé au niveau de l'Assemblée par les députés qui ont exclu les autres, c'est une question de, de cohérence. Ils disent que normalement, quand on est à l'opposition et quand on est au pouvoir, pas être dans le, même groupe. Ça, d'un point de vue logique, ça, ça, se, ça se tient. Pouvoir et majorité ne peut pas dans un même groupe parlementaire. Euh, il me paraît évident que d'un point de vue donc, euh, en termes du poids politique à l'Assemblée, ça ne peut pas changer la configuration politique parce qu'ils n'ont pas suffisamment de, députés pour donc euh, changer la donne. Quoi. Euh, donc, euh, moi, par rapport au départ de, de c'est-à-dire comme il l'a dit, les postes politiques, ceux qui sont nommés au nom du parti, effectivement, c'est une question de bon sens. ils doivent tirer les conséquences. Euh, parce que euh, une fois que votre parti, moi j'étais un des premiers en tout cas, je, moi j'ai dit que dès qu'ils ont fait la déclaration, euh, logiquement, ils auraient dû tirer les conséquences en, quittant, quoi, Parce qu'en réalité, euh, le pouvoir, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Mais cela n'a pas pris plus d'une semaine, en tout cas, pour. justement, cela veut dire que, gens de plus que, ils auraient dû prendre tout leur courage parce que euh, le débat, c'est qu'à la fin, on dit qu'Ibrahim a été limogé, le a démissionné, vous voyez, comme au de la, la quoi. Hmm. Bref, moi, je pense que c'est une question tout simplement de bon sens. Donc, en, politique, lorsque quelqu'un, en tout cas, était nommé au nom de son parti, se lever, en tout cas, euh, respecter un minimum de, morale, en tout cas d'éthique politique, c'est de s'en aller. Euh, de cette question, ces démissions, ces des cadres du MPN Kishinkasa et puis euh, euh, cette, ces, ces, députés auxquels on demande, qui ont d'ailleurs été exclus par leur, le, groupe auquel ils appartiennent. A ben, à partir du moment, je pense, hein, je vais peut-être enfoncer une porte déjà E c'est une question de simple logique. Il ne peut pas continuer à rester. Parce que même s'il reste, on va les vider <laughs> progressivement. C'est ça la logique. Et c'est ça, moi je considère que le fait qu'il dépose, c'est-à-dire à la suite de Ibrahim Yakoubou, que la ministre démissionne, que les autres occupent des postes. Parce que aujourd'hui, le véritable problème de ce pays, c'est la politisation à outrance de l'administration. Ça dit, quand vous n'êtes pas coloré politiquement, même quand vous êtes compétent, c'est pas facile qu'on comprenne. D'accéder certains postes. Mais justement, et c'est ça qui a foutu ce pays en l'air. C'est que c'est est en train de dire, c'est ça la norme, en principe. Euh, en 2010, quand il y a eu, euh, comment vais-je dire, euh, la tension, je crois qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là, dans le but de dépolitiser l'administration. On s'attendait à ce que ça soit appliqué, parce qu'on a catégoriser les, les, les, postes. Mhm. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Dans la mise en œuvre, n'importe quel poste, si c'est un poste de responsabilité, les gens ont tendance à mettre les gens qui sont, même quand c'est un poste technique, Alors. au lieu de composer avec le technicien qui peut ne pas être politique, on le met systématiquement de côté ou quand on le maintient même, c'est qu'il faut qu'ils prennent, comme avait dit, la carte du parti. Voilà. Hosseini, est-ce que, est-ce que aujourd'hui, on a, est-ce que vous avez l'impression qu'Ibrahim Yacouba et, et, son parti ont bien calculé les conséquences qu'impliquerait leur départ évidemment. de la majorité Le problème qu'ils avaient posé, c'était quoi C'est par rapport au futur, les élections de 2021. C'est un positionnement la configuration telle qu'elle est en train d'être présentée pour l'organisation des élections, ils ont estimé que ça ne doit pas se faire de cette manière. Au niveau de la composition de la CENI, au on ne peut pas dire majorité ou opposition. Quand quelqu'un est ambitieux, il veut se présenter, telle que la configuration a été faite, ce n'est pas évident. Majorité ou opposition, mais dès qu'on dit c'est le top départ, il n'y a plus de majorité ou opposition. Les gens se séparent. Chacun, moi je vais être député, mais on va pas Chacun se cherche comme on dit. se cherche. Maintenant, <laughs> on recompose par la suite. C'est dit euh, est-ce que les conséquences ont été bien mesurées par le euh, Kishinkasa en partant Moi, je pense que c'est des gens matures, vraiment, et se sont engagés en politique et savent que la politique, ce n'est pas vraiment, en tout cas, un jeu d'enfant. La politique, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'est quelque chose de très grave la politique, il n'y a pas de pardon en politique. C'est-à-dire que vous menez le jeu à fond. Ou alors, les gens vont arriver à bout vraiment de ta personne. Dès lors que Ibrahim Yacoub a décidé, juste euh, avant les élections, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, euh, passé, mmh. de s'engager du côté du, vraiment du pour venir vraiment faire une alliance, mmh. beaucoup de gens ont dit, bon, voilà, euh, un parti hier qui est sorti, qui a fait trop de bruit, qui nous a vraiment, en tout cas, euh, servi un discours révolutionnaire, mm, mm. un discours vraiment, en tout cas, très engagé, euh, pour nous montrer que vraiment, en tout cas, il peut constituer une alternative. Parce que moi, personnellement, je me suis dit, euh, dans tous les cas, suis, oh, moi personnellement, je suis toujours contre le principe, vraiment en tout cas, de la, euh, c'est-à-dire de, l'éternel vraiment pouvoir. Hmm. Ce n'est pas normal dans une démocratie. Hmm. Et quand il est sorti, il nous a servi ce discours. On avait dit, mais tiens, voilà, voilà un acteur majeur aujourd'hui quand même qui est sorti, un jeune loup dans l'enclos vraiment en tout cas de cette euh, gérontocratie, hmm. voyez-vous. Et là, on a salué, mais aussitôt, ce qui moi personnellement, ce qui m'a surpris et ce qui m'a très déçu d'ailleurs, aussitôt il est venu se radier au pouvoir en place. Moi, on a dit soit deux, ans après. maintenant, encore voilà, il sort. Bon, Hussein l'a dit, c'est une question de positionnement. Mais personnellement, moi, de mon point de vue, d'abord, même si c'est positionnement, c'est très tôt. Il reste encore trois ans. Le président de la République vient d'être élu. Donc, il reste encore trois ans. Pour 2021. ce serait une erreur pour eux. Non, de, C'est hein. pour venir aux conséquences. Vous avez parlé des conséquences, qu'il il a mesuré. Trois ans, je pense qu'il doit être suffisamment fort suffisamment pour résister. pour vraiment, en tout cas, résister. Euh, euh, il y, aura dans tous les cas des contre-chocs. Euh, Suleiman il y aura des contre-chocs, vous pensez, ou pas du tout Je, pense que politiquement, ça pourrait être compris comme une erreur politique, parce que c'est un jeune parti euh, le défi pour eux, est-ce qu'ils pourraient résister comme le monde a résisté face au pouvoir Parce que comme nous savons que un de leurs militants, notamment Namayo Boubé, les a alertés. Hein. Ils vont connaître des représailles, ils vont connaître des épreuves parce que bon, c'est ça c'est la politique. Hein. Il n'y a pas de, a pas de cadeau. Euh, donc moi, en tout cas, je pense, comme il l'a dit, comme l'a dit Cédric, c'est que euh, c'est un peu tôt Oh, mais bon, comme il a dit, c'est un, un, défi. Ça pourrait effectivement le grandir lorsqu'il arrive effectivement à s'assumer. Je sais que la politique, ce n'est pas la religion. Et je sais que Ibrahim Yacoub a avec des camarades qui sont prêts vraiment à l'accompagner euh, jusqu'au bout. Mais est-ce que la majorité des camarades ont vraiment suffisamment de solides pour le faire, je ne sais pas. Bien. nous passons à cet autre sujet, à l'hémicycle. Donc, euh, le mercredi 18 avril dernier, les députés ont adopté un projet de loi organique qui modifie ou complète euh, la loi relative à l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Parmi les nouveautés qui divisent dans cette loi organique euh, du CSC figurent les dispositions de l'article 18 qui dit en substance dans son alinéa premier qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publique ou privée, le président président ou le bureau du CSC peut décider de l'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission ou de la fermeture temporaire de l'organe. Euh, alors, euh, Elaj Suleiman, pourquoi l'adoption de ces textes seulement alors que plusieurs autres textes sont dans le même dossier élaboré et introduit ensemble, selon vous Bon, euh, moi le plus important, c'est est-ce que, comme on dit, c'est à l'œuvre qu'on va vraiment voir l'intention ça pourrait être une bonne chose lorsque la vision n'est pas liberticide, lorsqu'il s'agit véritablement de réguler. Euh, peut-être que ça serait, été plus, en tout cas, convaincant si on avait confié seulement au, bureau donc la possibilité de suspendre. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, on voit le président un individu, donc on voit le président qui pourrait être amené à abuser de ce, de ce pouvoir. Mais moi, je pense qu'a priori, ça pourrait être une bonne chose parce qu'il faut quand même le reconnaître. Souvent, euh, nous abusons hein, de la liberté d'expression parce que lorsque on peut être amené à mettre en, péril euh, la, sécurité, en tout cas les fondements de, l'État, hmm. euh, je vois l'actualité, c'était par exemple l'affaire Labari. Mm. L'affaire Labari, c'est vrai qu'ici, en réalité, moi je me dis que il faut que les gens qui viennent sur les entendre parce que souvent, on, complique la situation aux médias. Donc la responsabilité, c'est d'abord, parce que c'est le direct, quand c'est du direct, en tout cas, il faut que l'invité soit vraiment assez responsable. C'est-à-dire qu'en tout cas, tout n'est pas permis euh, d'être dit. Mm. Donc, euh, en résumé, ce que je pense que pour le moment, c'est assez hâtif. Il y a cette inquiétude réelle, en tout mm. cas, euh, d'abus de, ce pouvoir-là. Euh, Issa, est-ce que vous avez des inquiétudes Est-ce qu'il y aurait des, inconvénients ou des avantages par rapport à cette question Bon, ben, vous savez, hein, la régulation en matière de médias, il y a un certain nombre d'instruments qui sont déjà là. Mais là, je ne vois pas pourquoi donner cette possibilité à un président. D'habitude, au niveau du CSC, il y a un travail qui se fait en amont, le conseil de presse statut. Ensuite, <laughs> les conseils même se réunissent. Mais qu'on dise que le président, lui seul, peut décider de la fermeture des médias, il faut craindre à ce que la liberté de, de presse ne prenne un coup. Parce que tout simplement, il peut, il peut abuser de son, comment je dire, euh, de sa position et n'est même pas, euh, comment vais-je dire, euh, convoquer une session pour décider de la suspension ou, ou de la fermeture karma d'un média. C'est ça qu'il faut craindre. dit, Kali, c'est votre point de vue non, vous avez parlé des craintes, c'est-à-dire ce qu'on doit craindre dans un jeu démocratique normal, euh, c'est les abus. Tout le monde l'a dit. Mais maintenant, revenons, euh, c'est-à-dire euh, au sujet que vous venez de poser, maintenant de l'adoption vraiment en tout cas de mesures réglementaires. Moi, je pense que l'absence de mesures réglementaires nous aurait inquiété plus. Parce que nous sommes dans un cadre démocratique. Mm. Il faut des règles du jeu. Vous comprenez Quand il n'y a pas de règles du jeu, c'est en ce moment que les abus peuvent intervenir facilement. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la communication est là, mais nous, en tant qu'aujourd'hui usagers vraiment de ce secteur de la communication, du secteur des médias, nous savons que vraiment, en tout cas, il y a des déficits sur le plan vraiment, en tout cas, de la production des textes réglementaires. Mm, mm. Il y a vraiment des déficits. Seulement là, il, s'agit d'une modification. Euh, non, le problème maintenant, le débat actuel, c'est-à-dire euh, faire un lien entre vraiment la nécessité d'élaborer des textes, d'adopter des mesures réglementaires et le contexte délecteur actuel, mm. n'est né vraiment de la fermeture de la barre, moi je pense que c'est vraiment un pis-aller aller très vite en besoin. Ils viennent juste de prendre service ils ont déjà fait preuve vraiment en cas de dynamisme. Moi, personnellement, je connais le docteur Kabir, il m'a encadré. Mm. C'est lui-même mon maître de mémoire. Oui, mm. voyez c'est un enfant quand même qui est très éveillé. Il a étudié en Occident. Je ne pense pas qu'il va se laisser aller dans une sorte vraiment, en tout cas, de zèle politique jusqu'à venir vraiment saluer Il est très jeune encore. Faut pas voir qu'on l'appelle Donc c'est pourquoi moi je dis, personnellement, la crainte est là. C'est tout à fait normal. attendons de voir. attendons de voir. bien. <laughs> bien. Nous finissons, nous allons terminer avec euh, cette euh, surprise générale des clients de la Nigélec qui découvrent une hausse très sensible du prix de l'électricité sur leur dernière facture, celle du mois de mars. Qu'est-ce qui explique cette hausse selon vous Car la Nigélec n'a pas voulu s'exprimer, en tout cas nous au niveau du studio Kalangou, un de nos reporters a fait le déplacement à cet effet. Euh, il y a deux ans, il y a deux ans de cela, euh, j'étais sorti, j'ai fait une euh, sortie médiatique dans laquelle j'ai attaqué frontalement la Nigelec, personnellement. En ce moment, il n'y avait pas la loi des finances 2018. Mais face à la situation créée par la Nigelec, voyez-vous, dans un contexte spécial qui est le contexte du Niger, un contexte de paupérisation générale, un contexte vraiment en cas de, pauvreté généralisée, la Nigélec se permet de poser un certain nombre d'actes qui, normalement, même dans un contexte normal, pouvaient vraiment avoir des conséquences. Par exemple, euh, je vais vous donner un exemple. Cette affaire, par exemple, de, euh, de remise. On vient, on te coupe systématiquement. Et en te coupant encore, on te fait plus mal euh, en, ajoutant par exemple des remises de 1500, de 2000, 2500. 1 ce n'est pas normal. On m'a déjà coupé, on m'a fait mal. Et pourquoi on me met encore en sus des frais supplémentaires que je ne peux pas établir. supporter établir. Mm. Deuxièmement, aujourd'hui tout le monde le sait, le prix du kilowattheure a augmenté. Effectivement. On a même greffé à la facture encore d'autres frais. Et mais il va falloir assouplir la façon. Et c'est là de, en dehors de la taxe d'habitation. la, manière de régler la facture. Normalement, pour permettre aux citoyens nigériens de supporter au moins le poids vraiment en tout cas de cette facturation. C'est-à-dire par exemple, au lieu de m'amener le mois, on me dit au plus tard le 5 il faut régler sinon on te coupe. Aujourd'hui l'État avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs par exemple du, les sociétés par exemple les associations de consommateurs peuvent rester ensemble, on peut même euh, c'est-à-dire que tirer le délai jusqu'au 15, jusqu'au 20 pour dire bon jusqu'à cette date vous avez. Maintenant la dernière facture qui est venue, moi je n'ai même pas regardé parce que ça m'a fait rigoler. Voyez-vous, Ce qui est plus grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même un peu s'éloigner de la Nigeria, qui sont capables, avec leur seul panneau solaire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même ce panneau-là, euh, ça constitue un danger pour vous. <laughs> Bien, euh, élève Suleiman Mamadou, cette euh, question d'os de prix de l'électricité, rapidement. franchement, c'est une surprise pour tout le monde. Et j'avoue que si je ne savais pas qu'en amont, il y avait justement des mesures de la loi de finances, on a dit qu'il y a un sabotage de la part de la Nigélec contre, <laughs> la loi contre le, régime en tant que tel. Mais je pense que franchement, il faut, il faut en tout cas qu'on essaie de voir est-ce que la Nigélec a fait des estimations ou bien c'est vraiment euh, ce que les jeunes doivent payer En tout cas, mon, mon, constat, c'est qu'apparemment, c'est à partir de -ce, mois-là que la Nigélec a, a, commencé véritablement à appliquer la loi, si c'est en tout cas la loi qui a fait cela. Mais c'est une réalité, on, les citoyens en tout cas, les jeunes disent que leur facture passe du, simple souvent au quadruple ou bien au, triple. Mm. Donc franchement, c'est un problème très très sérieux qu'il faut donc voir examiner en tout cas, comment assouplir en tout cas la situation. Parce que tel que ça se passe, euh, certains n'auront même pas en tout cas les moyens de, régler la facture. Ousseini, ça, malgré cette hausse des prix euh, et la mise en service depuis euh, et, la mise en, service donc depuis un an d'une nouvelle centrale électrique, plusieurs régions du pays connaissent toujours de fréquentes coupures du, courant, accompagnées de dégâts souvent sur les matériels et équipements des abonnés. Quelles peuvent être les solutions durables envisagées envisager pour que le Niger devienne autonome En vérité, il a pas de solution. Aujourd'hui, quand euh, à la suite d'une coupure, euh, vous, comment avez dit, vos appareils, vous ne pouvez même pas poursuivre la Nigelec. Vous ne pouvez même pas poursuivre. Aujourd'hui, les factures sont passées du simple au triple chez chacun. Mmh. Et on te dit, à partir de 5 du mois, si tu ne payes pas, tu seras coupé. Tu seras coupé. En temps, est-ce que les salaires ont connu une hausse Parce que ça, c'est une question de choix. Ça veut dire que des gens vont se dire, je vais trouver un mécanisme pour ne plus être consommateur ou du moins ce a de la Nigélec. Si je peux m'acheter des panneaux, je vais acheter mes panneaux. Là, au moins, si je suis autonome. Parce que le coût, quand, par exemple, vous payez, je prends juste un exemple, 25 000, et que le mois d'après, on vous amène une facture de 115 000, votre salaire est limité, ce n'est pas, c'est pas élastique qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que c'est la Nigélec que vous allez aller régler ou vous allez chercher à manger d'abord C'est ça la difficulté. Mm. Et qu'il n'y a même pas le mécanisme dont Cédric vient de parler, c'est-à-dire donner la possibilité à la clientèle. Cette histoire de 5 là, mm. à partir du moment où le, prix du cloate a été rehausser. Hmm. À partir de ce moment, il doit augmenter, fait euh, que, ajouter un peu ou même trouver des mécanismes, les ah, délais de règlement, voilà, les délais de règlement non seulement, mais, mais, non seulement le délai de règlement, mais également, même si c'est pas tranche, ça dit que d'emblée, vous ne pouvez pas payer 75 000, on va vous euh, faire une concession étalée sur juste tout, tout le mois oui, d'accord, mais on peut s'organiser. Mais quand on dit d'emblée, on t'amène une facture de 115 000, il y a quelqu'un qui m'a montré une facture de 250 000 alors qu'il a l'habitude de payer autour de ça et quelques mille. C'est dit qu'à lire rapidement. je pense que euh, si on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, c'est même contre-productif pour la de procéder de cette manière. Hmm. J'ai l'habitude de payer 25 000 francs de façon régulière. Et maintenant, on m'a mis une facture de 100 000, 150 000 francs. Je n'aurai aucune ressource supplémentaire qui me permet de faire face à cette charge nouvelle. Un, ça vraiment, au moins pour une entreprise qui a un sens de management, c'est-à-dire qui est bien gérée par vraiment des responsables qui ont un sens de management, moi je pense que d'office, ça crée ce qu'on appelle les incidents, vraiment en tout cas. Et de... a dit que personne, n'y euh, a nulle part où euh, se plaindre. Non mais écoutez, euh, euh, c'est mon cas. Moi, par exemple, à un moment donné, ils ont coupé. Pendant 48 heures, ils ont ramené de façon cadencée. Ils nous ont euh, grillé tous les appareils. J'ai même appelé un, huissier, maître Menassara, pour constater vraiment la situation. <laughs> Mais il n'y avait pas de voie de recours aucune voie de recours pour les citoyens nigériens pour faire face à la Nigeria. Vous savez, le problème, c'est que c'est une société qui a le monopole. Une société qui navigue, qui baigne dans un environnement sécurisé, dans un environnement monopoliste, euh, monopolistique, euh, excusez-moi, mm. ces gens de sociétés deviennent des monstres, tu ne peux pas facilement les attaquer. Parce que si tu attaques la Nigeria, d'abord, le nom c'est la Nigeria, mais c'est l'État en réalité que tu es en train d'attaquer. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, du problème énergétique du Niger. En 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes, le Niger doit sérieusement penser à ce problème vraiment, en tout cas, énergétique. Aujourd'hui, le barrage de Kandaji. Merci, merci. Nous, sommes, nous sommes, désolés, Sidouk, le temps est contre nous, c'est fini. Euh, fin du forum de la presse de ce soir, nous étions avec Alège Suleiman Mahamadou journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter, Sidi Kali, journaliste analyste politique, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Présentation à Alassane Kouzi Mamadou, à la technique Hassan Abdoulaye. N'oubliez pas le rendez-vous des forums des week-ends, notamment en Hausa ce samedi avec Maman Adea Nzarma, le dimanche avec Balkis Amidou. Les deux vous parleront des maladies liées à la chaleur. Bonsoir.